fatan alheri amuna na fada na duka fadin Niger. Merci de rester à nos côtés. L'aventure de la fada est juste plus belle grâce à votre soutien. Et notre uniforme, ko orchestre, co make-up, co fatia, kungani de da de da ta haɗa mu dans le Code civil, le mariage est conçu comme la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'entraider par des secours mutuels, apporter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. Banda shagulgula, kowane karshen mako, banda shagulgulan kowane karshen mako, arme dai yana cikin al'adarmu. Arme dai a cikin mu haduwar iyalai biyu ce, ko kuma plus loin haduwar al deux communautés. Malheureusement chez nous, le mariage traîne aussi son fort taux de divorce. 3088 cas enregistrés en 2021 rien qu'à l'association islamique. Ça, c'est le côté moins fun du mariage chez nous. Dès que matassa, Yawanjin su amaran da angwayan yo. muka studio kalangu Selon le rapport euh, de l'enquête démographique de la santé à indicateurs multiples 2012 au Niger, plus de 3 quarts, ça veut dire ce sont 16,3% des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans, se sont mariées avant d'avoir 18 ans. Et près de la moitié, 48,2%, avait déjà un enfant à cet âge. ma Quelle perception ont-ils de cette institution que le mariage et quelle place occupe le mariage dans la vie des jeunes nigériens La fada c'est aussi de la musique, la rubrique qui est rose euh, cette fois-ci sur la fada et la chronique. Top, c'est parti. que ce soit pour parler du taux impressionnant de divorce ou des dépenses ostentatoires lors des préparatifs des cérémonies, les uniformes, les fêtes et tout ce qui s'ensuit, un shekarun gana baya dai maudu'in arman maki ya jao kuma yana ci gaba da jawo cece kuce yau hira tamu da zamu Farida Hassan Zami, elle ta elle jeune sage femme ça va Farida To, barkan ki zuwa kan shirin tusa la fada. A wannan fadar muna tare da Saminu Shaibu Abdulrashid, lui il est étudiant en administration. Ça va Ça va bien, alhamdulillah. Tu vas bien To kana barkan ka da zuwa. Muna tare da Muhammadu Nufu, c'est le président de CVC, Comité de veille citoyen. Ça va Ça va bien. Vous allez bien Ça va bien, alhamdulillah. Super. Nous avons avec nous Risa Alassane Ramatou, elle est étudiante en droit. Ramatou, ça va Oui, je vais très bien. Alhamdulillah. A wannan oh. ah, fadar hallo muna tare da Abdul Kabir, suis suis chez un centre lumière du savoir Merci d'être là aujourd'hui. D'abord, dites-moi, quand on dit mariage, ça vous renvoie à quoi Farida Army. Quand on dit mariage, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très, très sacré. Oui, quelque chose avec laquelle on ne doit pas vraiment blaguer,

ina wata ka responsibility ke ne yaunin shi ne ma yaunin ke zo maka kai yawa yauni ya kamata muna da wani yauni ya kamata mu kama don shi ne kawai za a ci to na ka shi yaunin kawai ke gani <laughs> Mamadu kai kuma ha an eh. aka ce aure sati kuwa in na ji an ce aure abunda lissahin da ya ce bani na harin ina ce zan tuna da addini mhm. da ya amince ko a yi arme mm. na biyun kuma ina da an ce aure ina iya tuna da haduwa tsakanin namiji da mace da za su amince su je su zamna tare don a yi eh, miya ce cewa don a hada zuriya Dans un premier temps, quand on dit mariage, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une union entre un homme et une femme. Une union dans laquelle règne le respect, la sincérité, la réciprocité, l'interdépendance. Une union dans laquelle il n'y a pas de jeu de cache-cache. Tout, doit se faire en tout cas de manière terre à terre, être franc envers son partenaire. La relation que tu aimerais avoir. Oui. Mhm. Oui, ah, La relation qui n'est pas mariage même, ça repose sur des principes. Tant que tu ne respectes pas certains principes, la relation ne peut pas être une relation sûre. Elle ne peut pas être durable. Là, j'entends bien plusieurs sons de cloche. Il y en a qui pensent à son caractère sacré, d'autres à la responsabilité, d'autres le poids qui lui fait peur. C'est ça, ça aussi. Il y a un son d'Awajankou, Abdel Kabir. armée, comment que en tant que jeune qui est déjà marié, je suppose. Tu es marié Oui. To, wani mahimmanci ne yake da cikin rayuwarka, arman wannan da kake cikin to na harko dai arme kaman abun mas'uliya ce inda ka ci kaman mas'uliya kaman responsibility ne kwa kuma abun na amana ne kama akwai confiance cikin arme kuma akwai ma'anan wafaka. a zamna a gane juna paske kun san arme bai arme hakan ga ana yi arme na vehicular connaissance to yau mutane suna shiga cikin arme yau suna shiga cikin arme ba su da ma'anar ilimi akan arme mm. kenan dole za a samu mi banna a cikin shi yanzu abin da nake so kai mhm. kenan ina gane kan kai arme mhm. sai da kan yi sani bisa kan rayuwa arme sannan ka shiga cikin personal man yanzu zamu je bisa kan kai directement kai rayuwa ka tunda kai yanzu kana cikin arme ayi yawa kenan abu ne da ya ƙara responsibility ka kuka man ciwa an tuka arme na sama kama kama abun da yau cikin shikwa mm. na harko na sama na kwanci hankali kuma na biyu na sani wane ne ne ka gane mm. kuma a cikin arme akwai abun mutu yana yana sama kamar lada cikin shi ba da mana mata abun da zai ci da abun da zai sa da kula da shi in bai da lahiya duka wannan kasan kin ga duka wannan kamar lada ce an tuka arme akwai lada akwai soyayya akwai jin kai duk wani yana cikin kamar cikin arme. Ko shi da mun shirare shi kenan arme wannan abu ne da ya kamata a nemi sani akan shi, a yi ilimi akan shi, kamar a shiga cikin shi. Maintenant j'aimerais bien connaître l'origine de votre perception du mariage. Farida, cette image que tu as du mariage, Euh, pour toi, c'est quelque chose de sacré. Ça, C'est plutôt. Euh, c'est quoi la source La religion C'est ta famille qui t'a éduqué dans ce sens Ou c'est à la télé que tu as compris que le mariage était Ça vient d'où La perception que tu as du mariage Pour commencer, la, la religion. Ok. Après la famille. Après la famille Oui. D'accord. Ok. Et euh, Saminou, et toi Ta conception du mariage là, ça vient de quoi she que l'éducation même de la famille, elle s'est reposée sur les bases de l'islam pour pouvoir nous enseigner ça. Donc, vous avez ne ya tura aure har muka zo duniya har muka gane su suke samu samu okay. don shine kuma da société muna ganin kakanninmu tantanninmu duka suna aure le tonton le tata duka suna aure donc mun gani kuma toujours c'est la perception de l'islam qui suit donc vraiment en réalité en un mot in za a cewa kaman turba za mu iya cewa kaman musulunci ne samu mu samu mu ji responsabilitan nan kaman da jan bagajin me gai Mmh. Maman, toi tu es dans les fada des discussions avec des amis kana tu mini kaman kakanda mata Tu gana tu ko iya mata Tu ganin armi da maza que Tu ina que ya que suna eh, kamata wajen samari kuma tu su hmm. akwai wayansu suna niyan su yi aure don saboda abokanin su yi aure yawa eh. don saboda kawaye sun yi aure ni ma sai yi aure akwai wayansu da suna niyan su yi aure don saboda eh, addini ya halatta mutum ya aure hmm. akwai wasu in mun dauki eh, mu na mu musulmai wasu samari suna ce ba su kai namiji ba in ba c'est-à-dire la responsabilité. tu ne peux pas grandir, <laughs> tu ne peux pas être mature tant que tu n'es pas marié. Est-ce que c'est forcément euh, ça chez la jeune fille nigérienne que tu es Bon, je vais commencer par dire qu'il n'y a pas de règle sans exception. Mhm. Voilà. Donc, euh, ce qu'il vient de dire, c'est aussi vrai, comme ça peut aussi ne pas l'être. Certains le pensent, il y en a beaucoup qui se marient parce que ses camarades l'ont fait pour elle, euh, c'est une sorte de compétition en fait. Mm. Mon amie s'est mariée, voilà, elle, vit bien, il faut que je me marie forcément. Euh, si on regarde, en fait, il n'y a même pas de relation sur elle. La fille, elle, n'est même pas amoureuse de son gars, mais parce que l'autre l'a fait, elle veut forcément le faire. Et moi, vraiment, je condamne ça. Parce que le mariage, c'est quelque, quelque chose de très sacré. Il ne faut pas se lancer sans pour connaître tout. Ton partenaire, il faut prendre le temps de l'étudier, le connaître de fond en large. Oui, oui, parce que si tu t'engages avec lui, sans pour autant le connaître, ça va être juste pour quelques jours, ou j'allais dire pour quelques années. C'est pourquoi ceux qui pensent que le mariage est une compétition, je leur demande de revenir à de meilleurs sentiments. Oh, <laughs> Tel le pas les cas. Le mariage, c'est quelque chose de personnel. Oui, de personnel. Il ne faut pas le faire parce que les autres le font. Bah voilà, fais-le parce que tu es prête à le faire. Fais-le parce que tu es prête à t'assumer. in muka turare na matu ita ta ce wannan arman dan ka ga wata kawaka ta yi arme kai ma ka ci ma ki ci arme zaki wannan bayi bane ya kamata a ci arme in zakin shi dan kanki zakin shi parce que rayuwa ki ce zaki hada da rayuwar wani kenan ki san cikin mi zaki ki sa kanki en fonction de ta personne c'est institut personnel ok to d'accord mun ji yanzu ka mu ci gaba da wannan hirar za mu zuwa mu shakata kaɗan avec la rubrique qui est rose sur la FADA et on se reprend juste après. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Dans la rubrique Rose de ce samedi, nous aurons quelques astuces de beauté avec les produits de nos cuisines. Ça sera avec moi, Mariam. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi, Ruki, on vous fera découvrir l'importance de l'hydratation du corps. Et enfin, en cuisine, nous découvrirons quelques idées qui facilitent la vie. Et c'est avec moi, Fanta. Coucou fidèles auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous ai concocté les astuces beauté suivantes. Le masque au miel, il sert à repulper le peaux fatiguées un peu froissées sur un visage bien nettoyé. Repartir deux à soupe de miel pur en évitant les yeux, le nez et la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes puis passer un petit bain de vapeur sur le visage et nettoyer à l'eau claire. Le coup d'éclat du citron. Le citron éclaircit le teint et resserre le peau un peu dilatée. Comment Presser un demi-citron, filtré pour retirer la pulpe, ajouter deux cuillerées à soupe d'eau minérale, passer avec un coton sur le visage démaquillé, laisser agir une à deux minutes avant de rincer à l'eau. Le secret de la tomate. Elle régule le pot grasse, découper une tomate en fines et poser sur le visage nettoyé. En évitant le contour des yeux, laisser agir 15 minutes. Alors moi, le citron, oui, j'ai déjà utilisé du citron. Bon, moi, le citron, ça ne va pas à ma peau. Ma peau est assez sensible, mais le miel, ma peau adore. Ok, Ruki, tu peux toutefois utiliser la tomate. Hein? Désormais, ça sera la tomate. Bonsoir les amis, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation du corps. Nous buvons tous régulièrement de l'eau et toute autre boisson pour nous rafraîchir ou étancher notre soif. L'importance de ces liquides va au-delà. Elles hydratent le corps et l'organisme. Mais quelle est l'importance d'hydrater son corps Alors, mes petites recherches sur le net par-ci par-là me permettent aujourd'hui de répondre à cette question. S'hydrater permet de préserver sa santé tout le monde est conscient de cela. Ce que nous savons peut-être moins, c'est combien l'hydratation est garante de notre équilibre physiologique. Tout d'abord, elle élimine les substances toxiques du corps. L'hydratation permet aussi de réguler sa température. Elle joue un rôle majeur euh, dans le maintien d'une température constante à l'intérieur du corps et plus encore en cas de fièvre. Comment bien s'hydrater Buvez sans attendre d'avoir soif. Donc, euh, vous pouvez aussi varier euh, les sources d'hydratation. Boire de l'eau nature n'est pas forcément facile pour, pour nous tous il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez euh, prendre des tisanes, des soupes, des bouillons, du thé, du café et j'en passe. Vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes. Certains contiennent plus de 90% d'eau. Pensez notamment à la pomme, au melon, à la tomate, au concombre. Personnellement, j'adore les fruits. Et vous ah, On adore tous les fruits. Par contre, pour boire de l'eau, j'en bois oui quand j'ai soif, mais euh, j'abuse pas. Il faut abuser. Euh, L'excès de tout est nuisible sauf l'eau. Hein. Des, des, des astuces. <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1. Ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aide la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments. Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les œufs. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce. Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Donc, moi, je rince toujours. Bon, après tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. Dansons sur Ancré de Emma pour clôturer cette rubrique. On se dit à demain pour d'autres astuces. Sans trop d'efforts, tu les d'envisager un lendemain sans toi. Je perds le nord je suis pas dans tes bras. Si c'était un refaire, je choisirais encore. Eh Bébé. Ben, Madame c'était la rubrique close de tous à la mu ci gaba da hira ta mu yau da muka zo muka girka a nan ga cibiyar studio Kalangu muna tare da matasa samari da ƴan mata wanda suke cikin arman da wanda ba su shiga ba tukuna. Kuma hira da muke ta yau busa kan armi. Wai ya ne matasan na Niger suke ganin harkan armi wannan irin kallo ne suke ma wannan hada zuri'ar da ake hada zumuncin da ake shi yasa muka gayyato su anan cibiyar studio kalangu don mu hira tare da su a wannan fadar muna tare da Farida Hassan, elle, est jeune sage-femme, mon de Saminou Chaibou euh, abdurashid il est étudiant en administration. Mohamed Noufou, président CVC, eh, comité de veille citoyen. Rissa Alassane Ramatou, elle est étudiante en droit. Abdul Kebir, DG Centre euh, lumière du savoir. dans tout le processus, qu'est-ce que vous considérez comme prioritaire Dans le genre Abdelkabir, cikin da mene ne kake gani ya kamata a ce an fara shi kamar shi ya kamata a ce an sa gaba na harko dai a cikin da ana so shine kamar kamar eh, soyayya saboda Allah shi mai cikin wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma abun da parce que ma'ana <laughs> c'est important parce que a Okay, c'est la base Je yi armin dole ba ce zo kai armin a cikin musulunci ba dole musulunci ya hana wannan kwa da ana yi shi amma yanzu mutane sun gane wannan ba alkhairi ce jana abin na harko cikin arme shine ma'ana so parce que in kana so mutum shine zai hana ka kai mishi wani abun da bai dace ba inda a so na gaske fa to in babu so mene zai zo kuma shine kamar rahma jin kai nan kwa bakarau din si bara ma bakara sai din si bakara sai bara amma ni si bara baka so shi baki masa irin wannan kenan kana da dan mutum ka sake shi am kun nunca coaching ngon bon kana OK d'où toute haka ne qu'on <laughs> observe avec les divorces à tout bout de champ wani banda funda bai ara hmm, kamar son rai kai abin da ka ga dama babu shi kwa

c'est quoi qui est important, c'est quoi qui, qui est vraiment la priorité euh, dans tout le processus du mariage Oui, l'amour réciproque. Mhm. Pas, je vais dire non, c'est lui seulement qui l'aime, moi je ne t'aime pas, mais on va mhm. se lancer des Ou trucs comme ça. on fait encore d'autres calculs. Oui, on est un peu pressé ou bien un truc du genre. Non, c'est l'amour d'abord, l'amour réciproque. Après, c'est des consensus. Hein. Ok. Oui, il faut vous entendre. Hein c'est le consensus. Il faut aussi connaître personnellement la, personne la personne. Il faut connaître la personnalité encore. Il faut connaître la personne de fond en comble. Moi, je ne veux pas dire, ah, je veux me marier avec quelqu'un que, que je viens de rencontrer à peine. Et après, quand on va partir dans le foyer, il va commencer à me montrer son vrai visage. Hmm. Alors que j'avais le temps de connaître la personne, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais pressée ou bien parce que la société était en train de mettre la pression. La pression. Uh-huh. Oui, la pression de la famille aussi, non. kenan ke kin ce dai farida ban da soyayya da ya kamata a ce ta hada eh, matar da mijin nata ya kamata a ce kin san ah, tare da wazaki kin san halin shi kan il y shi ma kuma ya san halin ki ba sai an je can ba za a yi da ai ta kwace mewa to da ku eh? to kai ya kaga cikin wannan zancen ni eh, a gani na zan hora da uwayen yara da ubannai paske in mun dauki societe in mu tun da dai mutum ya yi aure tun kun samu diya namiji ko mace kun san da eh, addinin musulunci ya ce namiji tun ya balaga a yi mishi aure kenan tun da nan a zan ki diba yara in wayan gidiya na naga ya hawara soyayya a fara bashi tarbiyya bisa kan aure yadda aure suke mata ko haka nan a zanki musu kenan zan fara da uwa yara a yi musu tarbiyya bisa kan aure kenan kai tarbiyya eh, tarbiyya a musu tarbiyya bisa kan aure a shirya su bisa kan wannan rayuwa sabuwar rayuwa da za su shiga to zan zo wajenka saminu samin ɗazu na har gane na gano ka kamar kana dan tsoro tsoro <laughs> kamar kana tsoron arme to duk da tsoronka est-ce abu ne da ke cikin objectif kinka ya kake ganin la place qu'occupe le mariage dans ta vie Et eh, Pour commencer, donc, euh, le mariage, peut-être on peut dire c'est l'un des premiers objectifs que pour moi. Hein. Ah to abin da sani ki tsoro ne dan zan wanda ke sai a hankali kayan ka samu mace da take son ka tsakanin da Allah wani aiki <laughs> ok yanzu eh, eh, ustaza ce soyayya eh. akwai soyayya ma cikin juna suke akwai soyayya don abin da kake so akwai soyayya don tsakani da Allah kuma akwai soyayya can daban don mu yanzu gaskiya aure za mu dan cewa dan dakata shi zuwa gaba kaɗan an mu shirya mm. kuma Allah ya sa mu samu mace ta gari ko da ke cikin soya ba a ba a san mutum na gari ko wani mai Allah ya sa mu hau bisa mutum mace ta gari shi ne za mu cewa me shirin naka da kaga gani kai ya kamata a ce kayi to shiri dai yanzu yanzu na samu aiki Allah ya dare na samu aiki na yi ginin kana na samu kare kun gani dukkan ana ai ka kan ka sana sai gini mana Allah ya ah, ina ina da karan ne ah, eh yawa ah, an samu karan na ware ma hawa da irin wannan kwa <laughs> don shi ne nake cewa mm. Allah ya kai mu shi dai ne okay eh, to ina da Muhammadu kamar eh yanda sauran suna nan ga cewa soyayya soyayya in ana hira ina yace soyayya ko abin taka haka dukansu muna yake santima ne da zai bari ka san wane paske in ina son mutum dole ina bida labari bisa kanta ya ne yaron ta tace ya ne ta ce menene tana so menene ba ta so in ina son mutum dole ina binkice in gani ya ne gidansu wani irin tarbiyya ake nan ga musu to mun diba da yawanci amma akwai cikin aure abun da nasarawa suna ce period de desillusion okay. eh yana yi wata uku zuwa shida haka sadepan da couple da namijin da matan za su je su gane da bayan da suka suka gane bisa ka eh. aure ne ba ba haka ba ne ba haka ne ba <laughs> sai da suka yi cikin kawunan su ba haka ba abin da suka yi tarmiya da aure ba haka nan ne ba in an zo an fara zama da tare lokacin nan ne za a san juna kwarai wagga barema ga eh, yadda ce. kamar yadda ustaz ya gai ɗazu eh. ba to shi yasa lokacin nan eh, in lokacin aure duk wanda ya je wajen aure ana ce ma namijin ko macen sai haƙuri sai haƙuri sai haƙuri to bayan period de delusion ne matasa za su gane da ah, sai haƙuri Hakuri nan da ake nan ce mini ashe ga ga yanar <laughs> lokacin nan zai fara okay <laughs> da haka akwai shi kenan kenan haƙuri ka amince da haƙuri kuma inda za a shiga cikin wannan y a des gens qui ramatu que c'est vrai que tu as, quand même des principes qu'il faut respecter ou qui te tiennent à cœur. Mais il a son insani. Quelle place occupe le mariage dans tes projets futurs, dans, dans ta vie, au fait Quelle importance tu donnes au mariage ou la finalité, cet objectif <laughs> C'est la finalité de toute relation sur c'est le mariage. Mais il ne faut pas trop se baser sur le mariage. Il faut se chercher d'abord. Si tu étudies, il ne faut pas trop faire, te faire des idées sur le mariage. Il faut te, il faut t'occuper de tes études d'abord. Mm. Étudier, être euh, indépendante, être autonome. Mm-hmm. Oui, c'est après tu accordes le mariage. On fait pas ça, euh, on fait pas de ça une priorité comme les gens le pensent. Le mariage vient, c'est une question de temps. Quand ça vient là, peu importe là où tu es, ça va venir. Mais moi, j'ai l'habitude de voir des filles disent non, elles sont, elles sont fatiguées d'étudier, elles veulent se marier. Je leur dis non, le mariage, là, il ne faut pas, il faut pas <laughs> mettre ça au centre. Quand le mariage, c'est peut-être euh, la personne va te prendre euh, à 100%, mais non, les gens se font des illusions. Même dans le mariage, il y a des problèmes. Mais quand tu es euh, indépendante financièrement, ton mari va te respecter. Donc, il faut d'abord se chercher. Quand tu es bien là, si le mariage vient, attrape. Mais oh, il y a aussi quelque chose à éviter. Faut pas dire parce que tu étudies, tu ne vas pas te marier. Non. On peut se marier et continuer les études. Ça dépend de l'importance que tu accordes à ta vie. C'est une question de priorité, c'est une question d'importance. Il faut juste savoir ce que tu veux. Tu sais c'est quoi ton objectif, Fais ton objectif. Il y a une ligne de conduite à suivre. Quand tu l'as su, tu vas réussir, plaisadier. à en tout cas, euh, toi, en résumé, il faut euh, d'abord être quelqu'un avant d'être la femme de quelqu'un. <laughs> D'accord, donc se chercher. Kenan ba mace ba ki ce a'a arme cikin arme ne ko za ki samun wani kwanciya hankalinki ko za ki samun abin hannunki ko abin da kike so ya kamata a ce ke ma kin yemi iliminki kin yemi aikinki kin yemi kudin hannunki in yaso sannan in shi kuma ya sai a ci gaba amma ke ma a ce ke ma wata abu kan ki j'ai construire ma vie d'abord ouais, mon mari C'est l'obligation de me respecter on va se détendre un peu en musique parce que la fada c'est aussi la détente c'est la musique Comment nous proposons d'entrer dans ça Samino propose-moi une musique Auri Asa ah, ok d'accord on y va avec Auri de Hamsa Garba et on se reprend juste après Garba, c'était Auré à la fin aujourd'hui. On parle de Auré, <laughs> justement, le mariage, le mariage pour les jeunes. Il y a une suke tunkara suke shirin tunkarin wannan euh, sabuwar rayuwa da ake cema arme won irin kalo ne suke ma arme shi yasa muka tattara su a cibiyar studio kalangu a unguwar kar kano zan je ga tambaya ta ta karshe a ganin ku ya ake iya shiryawa wannan babban abu abdulkibir na a ganin ka ya ake iya shiryawa wannan sabon rayuwa wannan shiri ne ya kamata a ce mutum ya yi kan ya tunkari armi to kamar da ya kamata a shirya wannan abun nan na harko shine dukkansu su san wannan armi kamar ibada ce inda aka ce ibada ana so kamar hankuri hankuri shine kamar zaman na armi fi sabilillah paske inda aka ce kamar armin nan in ka ce mutu zo mu zamna inda ka ce mutu zo mu zamna zo mu yi ma'anar rayuwa ka irma bafune ka irma goro mate ka irmi yanje zo a yi hada duka a kucika armin nan canan abun prinsip na armin nan abun ne na kamata a rice shi ne ma'ana asabar wato hankur dai ne kuwa kasan kana da hankuri kasan kana hankuri merci paske duka abun da hankur bai yi ba hin sura asate kan wannan shine ma'ana abun na harko kuwa kuma abun na biyu shine kama a san kama alhaki juna a san alhaki juna namiji ya san alhakin mace mace ita mata san halakin ma'anar mijinta inda aka sama abun biyu nan wala mutane sun zama ma'anar rayuwa mai daɗi sai lahira zai sama na aljanna kuma muhammadu ina ce dai matasa su san da aure ba abun wasa ne ba eh. ba abun wasa ba ne ba eh, abu ne da yana so shiri kwarai ka a ce dan saboda an gani wane yayi wane yayi shi ma sai yayi a ɗauki lokaci yan karatu a ce a samu ko diplom ne ko da ba a samu aiki ya kamata a yi garantir wasu condition minimum ouais, des sources mm. da yana bari mutum ya iya cida da matasa su gane kuma da aure ba abun kwana biyu ne ko kwana uku ne ba ana aure ne dan a yi fami dan a yi ilali ouais. Eh. muhammadu na olivier Et on se dit officiellement au revoir. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. C'est toujours un pur bonheur pour moi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Pour ce samedi, nous allons sur les réseaux sociaux, notre terrain de jeu favori. Sur les réseaux sociaux, certains internautes animés de mauvaise foi arrivent à distiller de la mauvaise humeur. C'est par exemple ceux et celles qui se moquent du physique des autres sur les réseaux sociaux. Les gens en forme en sont le plus souvent victimes. Oui, cela s'appelle de la grossophobie. Vous voyez déjà de quoi je parle. Eh bien, si personne ne peut vous regarder en face dans la vraie vie et vous traiter de gros ou de mince, sur les réseaux sociaux, ils en sont capables. Chers amis auditrices et auditeurs, la grossophobie et la jalousie frontale, personne ne doit la subir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos vies quotidiennes. Donc, vivez pleinement votre vie et quand quelqu'un vous embête, utilisez ces astuces. D'abord, supprimez ce qui vous embête, c'est-à-dire si soit c'est un ami, une page que vous aimez ou tout simplement un commentaire désobligeant, eh bien, supprimez. Alors, si vous recevez un commentaire désobligeant sur une vidéo, une photo que vous postez, eh bien, supprimez le commentaire ou masquez-le. Aujourd'hui, ces options que les différentes plateformes de réseaux sociaux nous offrent nous permettent de laisser quoi nous influencer et surtout quoi nous impacter. Troisième et dernière astuce, si vous vous sentez bien dans votre peau, personne ne doit vous faire croire le contraire. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et comme toujours, paix, lumière Amour sur vous. One big love. Bye bye. Merci bien Olivier, c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. On va se dire au revoir avec nos invités qui ont bien voulu nous accompagner sur euh, cette thématique qui intéresse vraiment les jeunes, on l'a vu, hein, les chiffres. Euh. Donc, an yi wasa da ita ko an maida ta baya ita ce ya kamata a ce an sa gaba an yi zancen jin kai duk da yake matasa ne ya kamata a ce kan ka shiga wannan sabuwar rayuwa ka tabbata kana da jin kai nata ko ke kina da jin kai a kan shi voila to ba abun wasa bane mahmud ya gai kenan an va se dire officiellement au revoir en espérant que wannan shirin ya kayatar da ku sai mu ce a huta lahiya